Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, sur tout ça la fada, l'ingénieur s'exprime. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un jeune Nigérien. Un jeune Nigérien qui a conçu une application KPB, un jeune Nigérien, promoteur de la culture hors du Niger. Il n'est plus à présenter. Il était le président de l'Association des Nigériens de Toulouse, ANT, sur l'émission Tous à la Fada, en la rubrique L'artiste s'exprime. Ladies and gentlemen, recevez l'artiste, l'ingénieur, le président Idriss Lawali Abdou. <laughs> Alors je souhaite bien évidemment la bienvenue. Le concepteur en question de l'application KPB. Comment tu vas Je vais bien Dondi et toi Tout se passe bien j'espère Ça va, ça va, tranquille. Alors est-ce qu'on peut déjà parler de Idriss Lawali Abdou sur l'émission Tous à la Fada alors, Idriss Laoli, c'est comme tu l'as dit, un jeune, euh, très jeune d'ailleurs, mhm. euh, nigérien euh, qui vit à Toulouse actuellement donc euh, ingénieur logiciel de formation, euh, formation que j'ai finalisée à Toulouse mhm. et euh, très investi pour aider et accompagner tous les jeunes nigériens où qu'ils soient mhm. et surtout à Toulouse, d'une part à travers l'association des Nigériens de Toulouse, mhm. donc que j'ai cofondé et dirigé pendant deux ans, depuis 2016, et aussi avec l'application mobile d'orientation scolaire Karatou Postbac, qui a aidé euh, des milliers et des milliers de jeunes en Afrique et surtout au Niger. Mhm. Application qui est d'ailleurs reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines par l'Union africaine. On en parlera dans un deuxième angle de, cette application. Mais avant cela, j'aimerais te dire une chose sur cette émission, Idriss. Nous, surtout Salafadam, à travers la rubrique L'artiste s'exprime, nous faisons la promotion de la culture nigérienne. Vous, en tant que jeune Nigérien, vivant en France, plus précisément à Toulouse, qu'est-ce que vous faites pour faire la promotion de cette culture alors, dites-moi. La culture nigérienne, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, Dondi, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, on est des ambassadeurs. Bien sûr. Tant qu'on est, quand sort du Niger. Mhm. Et on est en quelque sorte représentant aussi de la culture, de la culture nigérienne. Justement. Et euh, nous, ce qu'on a fait, en fait, à travers l'Association des Nigériens de Toulouse, mhm. c'est d'inviter des artistes, mhm. des artistes nigériens que ce soit traditionnel, moderne ou des, rappeurs nigériens. Donc, qui viennent en fait présenter la culture nigérienne à travers des euh, prestations artistiques. On a déjà eu en fait à inviter euh, MDM Crew, ça qui est venu. Donc euh, on a eu pas mal d'artistes qui sont passés en fait et justement pour booster cette culture. Et sachez que ça a eu beaucoup d'impact parce que euh, Initialement, on ne connaissait pas vraiment le Niger localement, en tout cas à travers sa culture. Et euh, on a fait très bonne impression et beaucoup de communautés autres que les, Nigériens ont hyper apprécié et ont voulu nous rejoindre dans cette euh, promotion de la culture globale africaine, mais surtout nigérienne. Tout simplement. C'était donc, mesdames et messieurs, le premier angle. Vous avez une idée, bien évidemment, de ce que font les jeunes artistes, euh, n'est-ce pas, nigériens ou les jeunes euh, promoteurs nigériens vivant en France. Alors, l'instant est solennel. Un message à l'endroit des autres jeunes qui reçoivent cette émission à travers nos 46 radios partenaires, à travers nos 6 télévisions partenaires, pour qu'ils puissent aussi ensemble emboîter le pas, parce que chacun dans son coin peut changer la donne. Un message sur l'émission Tous à la Fada le Niger entier t'écoute. Donc les jeunes, euh, comme je l'ai dit, on est tous ambassadeurs. On est tous ambassadeurs et si jamais vous êtes amené à représenter votre pays, parce qu'il ne faut pas qu'on vous le demande, on ne vous dira pas vous êtes un représentant du pays, mais vous l'êtes en fait en soi si vous êtes citoyen. Donc euh, la culture est la vôtre, dispersez-la, faites-la voir, faites-la connaître et c'est en là que le Niger se développera à l'international. La culture est au, au début et à la fin de tout développement. C'était Idriss Abdoulaye sur le premier angle, hein. sur l'émission Tout seul dans la rubrique L'artiste s'exprime. On se prendra plaisir adieux demain à partir donc de 17h45 sur le radio partenaire pour le deuxième angle. Le dimanche, ça serait l'émission Franco. C'était la machine.